Euh, vraiment refait un soutien public bi si les pays et puis aussi qualité jeu terrain ce qui veut dire que l'équipe du basketball africain League ñu continuer di euh, pour vraiment compétir pour gagner trophée bi on ñom ñep dañuy préparer ou organiser recruter pour am équipe yu leen permettre mais lu ma aussi mooy que équipe yi souvent dafa nekk équipe yoo xam ne nii soo xoolee localement seen championnat dafa dafa dafa régulier euh, c'est aussi seen ossature équipe même que donte dañuy jël ay joueurs yu jóge Amérique ak fu nekk euh, ci monde bi pour renforcer leen mais base bi euh, ay joueurs yu si seen banc banc bi ñu koy constituer ay joueurs locaux la ñu war a pour wane ne rek il faut que nous continuions d'influencer le développement du euh, développement basketball local parce que que qui def fait au niveau panafricain euh, euh, vraiment Mungi attirer captiver au monde mais le ce que ça fait sur le plan sur le plan national. fii vraiment Dakar Arena nous avons une atmosphère extraordinaire déjà.

parce que nous aussi basketball Africa League du basketball cassé. basketball c'est vrai que moi, il y a am solo parce que produit du visiteur terrain bi athlètes yi la entraîneurs yi arbitres etc. et cetera euh, de sorte que toujours fait am qualité bu bu bu baax mais nag dañ si l'entertainment, euh, entertainment divertissement industrie créative yëpp dañu bëgg ñu gis et puis une fesse euh, à travers la basketball Africa League.